docteur Kwara Fondei Ferry. Kwara Fondei Docteur Kora Fondei Ferry. Hey. Bonsoir et bienvenue sur votre émission Tous à la Fada, le magazine hebdomadaire jeune du studio Kalango. Diffusé à travers ses radios partenaires partout sur le territoire nigérien, mais aussi sur les réseaux sociaux. Nous sommes en août, période très pluvieuse au Niger mais aussi une période propice au paludisme, cette maladie qui atteint son pic surtout en cette saison. Le paludisme est une maladie extrêmement préoccupante. Le programme national de lutte contre le paludisme au Niger estime que l'épidémie représente 28% de toutes les causes de maladies dans le pays et 50% de tous les décès enregistrés. Quant aux statistiques du ministère de la Santé publique, il estime en moyenne 500 000 Nigériens atteints du paludisme chaque année pour plus de 1000 décès enregistrés. Face donc à ce problème majeur de santé publique au Niger, il faut agir et à tous les niveaux. Pour ce qui nous intéresse, à tous à la FADA, Rabi est allé à la rencontre de nos amis jeunes pour connaître leur degré d'engagement et leurs moyens de lutte contre le paludisme. C'était dans la première partie de l'émission. Cependant, et comme le dit un proverbe de chez nous, mieux vaut prévenir que guérir. Dans le cas du paludisme, qui nous concerne, les jeunes, ne provoquent-ils pas eux-mêmes le palu dans leur vie au quotidien Comment et pourquoi Nous en parlerons avec nos amis invités jeunes et auditeurs qui nous écoutent à travers le thème suivant, le paludisme chez les jeunes. Quelle alternative pour éviter la maladie Vous pouvez participer aux échanges en réagissant sur le thème du jour par vocal au 80 06 88 54. Vous pouvez également recevoir le contenu en envoyant jeune au 80 06 88 54. Tous à la FADA, le principe 35 minutes d'échange, de musique, rubrique, chronique hebdomadaire jeune. C'est tout de suite et maintenant. Hey. Chers amis de la FADA, nous nous trouvons quelque part dans Niamey au niveau de Docteur. Nous vous souhaitons la bienvenue. Eh, merci. Nous sommes justement ici au niveau de la polyclinique Concorde. Nous sommes eh, au quartier Wadata, juste à côté du rond police secours. Polyclinique Concorde, mesdames et messieurs. Quand on parle de paludisme, forcément, on doit euh, se rendre quelque part où le palud est bien traité. L'auto-traitement est hyper dangereux. Le paludisme chez les jeunes. Quelle alternative pour éviter la maladie C'est notre thème du jour. Nous avons aussi comme invité Monsieur, vous allez vous présenter. Ça va bien Vous êtes en forme Oui, ça va. Vous répondez au nom de euh, Je suis Shamsuddin Mahmoudou Gabou. Monsieur Shamsuddin. Voilà. Vous êtes euh, porteur d'un projet Oui, je suis un jeune entrepreneur qui œuvre dans le développement sanitaire et l'entretien de l'environnement. Super. Docteur, nous vous souhaitons la bienvenue. Vous répondez au nom de... Donc, euh, merci. Moi, je réponds au nom de Gambo, docteur Gambo Abdelatif. Je suis médecin généraliste. Docteur Gambo, comment vous allez Vous êtes en forme Je suis très en forme. Vous n'avez pas le palu dans le sang Pour le moment, je ne l'ai pas. Super. <laughs> Mamadou Abdou ça va bien Bonjour, Dondi. C'est un des acteurs des jeunes actifs. À chaque fois que nous sollicitons les jeunes qui œuvrent pour, eh bien évidemment, euh, le social qui œuvre pour la bonne marche de la société, ils répondent présent. Tout se passe bien Je vais très bien. Docteur, comment vous allez Ça va, Vous répondez au nom de Moi, c'est docteur Ibrahim Agali. Je suis aussi médecin généraliste au sein même de la Polyclinique Concorde. suis deux experts sur l'émission. Je suis bien entouré, Mamadou Abdougado. Nous avons aussi des jeunes volontaires du Niger, quand on dit la jeunesse nigérienne, ils sont devant. Ça va, monsieur, vous allez bien Je vais très bien. Vous portez déjà le gilet jaune des jeunes volontaires du Niger Oui. J'y viens Oui. Super. Vous répondez au nom de Je réponds au nom de Shaha Ahmed Haroun. Shaha. Je suis un jeune volontaire. Super, le jeune volontaire. Merci en tout cas de toute cette émission. Mesdames et messieurs, commençons d'abord par Dr Gambo. Docteur Gambo, quand on parle de paludisme, qu'est-ce qui cause le paludisme Donc, euh, merci. Pour parler de cause, d'abord, il faut savoir ce que c'est que le paludisme. Le paludisme, c'est une maladie fébrile, comme on le dit, qui est transmise par euh, un moustique euh, femelle qu'on mhm. appelle appelle l'anophèle femelle. Ok. Donc, euh, c'est cette piqûre de moustique qui est la cause de cette infection parasitaire qu'on appelle le paludisme. Donc on a tous le palu dans le corps On n'a pas tous le palu. On est tous piqués par des moustiques en principe. On est tous piqués par des moustiques, c'est vrai. Mhm. Mais il arrive qu'à un certain moment, mhm. après cette piqûre de moustique, qu'on appelle la phase d'incubation. C'est en ce moment qu'on mhm. sent si on a vraiment le palu. Hmm. Donc tout de suite, même si on est piqué par les moustiques, on n'a pas le palu, on peut circuler avec. Après la piqûre de cette anophèle femelle qui nous laisse des larves au niveau de la piqûre. Donc euh, ce qu'elle a laissé là, c'est comme si on peut l'expliquer en français facile, c'est sa salive qui vient jusqu'au niveau du foie de l'homme. Donc au niveau du foie, ça se multiplie ça se multiplie jusqu'à 7 à 12 jours. Hmm. C'est ça on appelle la phase d'incubation. Et là, la multiplication continue, les parasites se développent. Et après, ces parasites regagnent la circulation générale, la circulation sanguine. Et quand on parle du sang, on parle de globules rouges. Le globule rouge, ces parasites essayent de les déformer. Ils les déforment et c'est en ce moment, après cette phase d'incubation, qu'on est à la phase clinique. Et là, l'homme commence à manifester les signes de ce palu par la fatigue, parce que le sang qui circule dans la circulation générale est infecté par ce parasite et les globules rouges sont déformés. C'est eux qui circulent dans la circulation. Ça donne la fatigue, les maux de tête, euh, la fièvre et même parfois des signes digestifs comme la diarrhée, euh, les maux de ventre, les douleurs abdominales. Donc voilà, ça se présente comme ça. On va rentrer dans le vif du sujet après. Bien sûr, on revient dans un instant. c'est et qu'on est déjà initié du paludisme. Je vous demande de lui faire un maximum de bruit quand même. À partir de cet instant, si on a ces signes, on sait qu'on a le paludisme. Nous avons la chance, Mamoud Abdelgadou, d'avoir un expert sur l'émission. Effectivement. Euh, voilà. Mon ami, Shamsuddin, vous œuvrez pour la cause. Parce que pour le bien-être, vous êtes dedans à fond. Oui. Ah, pour que ah. Voilà. To il faut nous arroser en tant que jeune. Il faut nous arranger pour que sobram se zada. Tout d'abord, zaka irgo zanka irte palu. lui. ba kalir beri. Irgo han safari. Mm. Certes, agir soulager ir Dieu merci, mais bon bout. Mm. ir kalir beri me sa amandare halson donc ir koy gila sabu haya kan goga te ir sai fundu konno fundu konno kan ir la sabu mangana goga bafunai ifuno gati problemo kan na ago hinge doro da irra ir koy gama kan fundu konno kan su bafunai kalnan kan zibigo asu bafunai nan kan hanamaigo vous êtes d'accord que vous avez des comportements ou des habitudes qui peuvent entraîner un certain nombre de choses et ces choses peuvent entraîner d'autres choses qui peuvent euh, nous entraîner le palu et ainsi de suite. ina aran aran eh, furta jerin jibo aran da go kanda dauda oh. ay ga sabun se ay sine ir furta jai hinne no go kata zibo don ay ga mil kan furta jay igo ginga hina kutte in kuninga no mm. nan ku kan zibi gono furta jai kai ikoy kan ne meri borai in zibai din ku ikonda nan kwara banda gufuru ta ai san mun sai example haro banda mm. haro banda ate nan kan nu gombo no o oh, gudal no gudal ate mm. har no kan ai suivre mm. ai ni gano no ke me dara ka ke me dara don kai mil furta je igogin ga hina kutte zama la sabo ga hunkuna irno hemarizo goga tabandi parce que hunkuna borgondo wanda ni gonda zankaya zankai din dite pali ni wana albashora daino nikka yani ga saki fiki futta jaydin inge dano gogo ko kari igonge hina kutte wallahi toirma oh. nemka euh, JVN jeune volontaire du Niger maintenant que inondation wati on vous a vu à l'œuvre vous étiez dedans à fond palioka est-ce que aran sintin sensibilisation est-ce que aran furo palio wongora parce que man tarin wa inno borwim so boran borwig bisay kulandu nyo irwo kaydo newo Merci Dondi. Pas de quoi, nous Avant, ensemble. félicitations. merci à toute l'équipe du studio Calabria de nous avoir invités à cette émission. Nous sommes ensemble. Pour traiter un thème d'actualité, donc euh, en revenant à la question, c'est vrai l'an dernier, quand Niamey était victime des inondations, les JVN étaient vraiment à l'œuvre, étaient à l'avant-garde. Nous avons mené beaucoup des activités, même dans le cadre de lutte contre le palisme, nous avons distribué pas mal de moustiquaires imprégnés à, aux populations victimes des inondations. Et cette année aussi, nous sommes à pied d'œuvre. Nous sommes dans la phase de la sensibilisation. Nous sommes en train de sensibiliser le jeune, toute la population de Niamey. Parce que vous n'êtes pas sans le savoir qu'aujourd'hui, personne n'est épargné de cette maladie. C'est une maladie qui touche, que tu sois riche, pauvre, jeune, vieux, quoi, je ne sais pas. C'est une maladie qui n'épargne personne. Tout à fait. Donc, nous avons cette obligation aujourd'hui de sensibiliser les gens. C'est vrai, moustique, c'est un insecte, si je peux le dire, qui est tout petit. Qu'on peut sous-estimer. Qu'on peut sous-estimer. Quand gabonde éléphant. Un tout petit truc qui te met une maladie qui peut t'amener à Yantala. Oui, bien sûr. Donc, euh, je pense qu'on a cette obligation de dire aux gens de se protéger de ces, moustiques to hattara da saboro Asamu samu magani saboro mu samu magani sange to ka hinde a magani a kiyaye tukunan a magani to kiyayen ne ne eh. shine muke nan ne ma action to nodin irga koy ga hangan l'artiste s'exprime c'est une rubrique de l'émission Tous à la Fada cette euh, rubrique est consacrée à l'art et ceux qui le pratiquent et l'émission Tous à la Fada vous le savez est consacrée à la jeunesse nigérienne on kiffe la rubrique et tout de suite, la suite. Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, pour la prospérité de la culture, le studio Kalangu présente l'artiste s'exprime. Et vous, vous rappelez certainement de Ousmane il était hier sur l'émission Franco Aoussa, c'est-à-dire Tous Salafada présenté par la Miss Rimba. Nous avions parlé du parcours en question de l'acteur culturel. Son nom à l'état civil, Ousmane Biano, vous l'avez eu sur cette émission c'est un nom que porte son père, puisqu'il est né le premier jour de la fête de Bia. Aujourd'hui, sur cette émission, nous allons parler de cette fête. Ousmane Biano, dit la machine, te souhaite la bienvenue sur l'artiste s'exprime. Comment tu vas, mon frère Je vais très bien. Tu es en forme Dis-moi que tu vas de la la forme. Super, on va parler Parlons de piano télévision. Tu me frissonnes un peu là parce que Je sais comment est-ce que tu, tu te donnes fond quand on parle de Biano. et je sais le fait que ça te fait. Ok, quand on parle de Biano, alors parlons de Biano sur l'émission, la fête, l'historique. Quand est-ce que ça a commencé Où est-ce qu'on y va C'est quoi ce qui est prévu C'est parti, mon frère. Donc, l'histoire de Bianou a beaucoup de, de, de explication. Ok, commençons donc, euh, eh, Donc l'histoire de Bianou ça a commencé pas aujourd'hui. Ok. Depuis euh, l'Égypte, mhm. et quand euh, le prophète de paix salut sur lui, mhm. et s'est transféré des mecs à Médine. Mhm. Donc c'est cet accueil que la population de Médine le fait qui justifie aujourd'hui d'une partie religieuse la fête de Bianou. Hmm. Voilà. Ok. Donc c'est un peu ça aujourd'hui. Donc Ici, aujourd'hui, il n'y a personne qui peut te dire voilà où ça a commencé, où le jour, ou bien combien d'années. Donc vraiment, c'est une histoire religieuse auquel les gens le font. Mais d'une manière ou une autre, ça déforme, ça déforme jusqu'à ce qu'aujourd'hui, elle devient un carnaval historique en Afrique du l'Ouest. Hmm. Ça commence, et, cette histoire, c'est lieu-là que je fais, ça commence au 10 mois de Muharram. Ok. Donc, juste et 23 jours après la fête de la Tabaski. Donc la langue de la fête, ça commence juste une semaine. Mhm. Donc c'est là où il y a un rituel qui est organisé de la vieille ville mhm. d'Agadez. Ok. Donc et ça, ça prend maintenant et le, jour de la fête même, mhm. c'est le 9 du mois de Maharam. Donc c'est là veut dire qu'à partir de la semaine de la Tabaski, si tu comptes, ça fait 23 jours. Donc le bien se justifie aussi et une fraternité, une joie et tout au rythme des Akanzam et des tambours. Ok C'est ce qui façonne aussi la ville d'Agadez. D'accord Alors cette année, qu'est-ce qui est concrètement prévu, mon ami Ousmane Parce qu'on m'a dit dans les coulisses que c'est spécial. Effectivement, oui. cette année... Et je suis à Agadez, j'ai envie de savoir. Effectivement, cette année, c'est vraiment une, une spéciale. Mhm. puisque, en réalité, toutes les autorités, que ce soit et administratifs et coutumeurs ont pris les choses en main. Ok. Et, que déjà bien avant, aujourd'hui nous sommes deux mois, il y avait déjà une annonce officielle mhm. qui dit que donc voilà, ça va se débuter en mi-août. Donc cest à vers le 16 17 et 18 août. Ok, 16, 17 et 18 août. Donc c'est ça. Et ça, ça va avoir une, invitation internationale. Tout à fait. Donc il y aura déjà beaucoup de médias internationaux mhm. qui, sont intéressés à venir, à y participer. Bien sûr. Pour prendre des images, mhm. pour photographier la ville, mhm. pour photographier les, et les caravaniers. Les la région d'Agadez. Et aussi les danseurs et tout, tout, tout, ce qui est vraiment de, de la culture de Tout simplement. Alors nous sommes pratiquement à la fin de cette de consacrer à l'art et à ce que tu le pratiques. Tu pratiques l'art parce que tu es un acteur Alors est-ce que tu as un message que la fête sera spéciale, un message à donner à l'endroit de toute la jeunesse nigérienne qui regarde cette émission un peu partout. Parce que tout le monde va se converger à partir déjà du 16 à Agadez. Il y aura donc euh, des partenaires qui vont accompagner pour que les jeunes se déplacent, pour que le monde entier se déplace vers euh, la région d'Agadez. Alors regarde la caméra, l'instant est solennel. C'est parti. Effectivement, donc il y aura beaucoup des des cette année et beaucoup de jeunes sont intéressés à y participer. Et beaucoup de jeunes sont intéressés vraiment à participer à ce grand événement, ces, grand rendez-vous de l'année 2021. Donc moi j'invite toute la jeunesse nigérienne à y participer et massivement pour qu'elle vraiment ils doivent y vivre parce qu'on a dit, eh, un adage dit qu'il mm, faut vivre la fête de Bion même si c'est une seule fois de cette Donc c'est vraiment l'occasion. Ainsi parle l'acteur culturel. Merci à Olivier, à bavé pour les images de la réalisation de cette émission. Merci à l'équipe technique. Merci à l'équipe jeune. Nous sommes à Agadez et nous avons été bien accueillis. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. C'était l'artiste s'exprime et tout de suite, tout ça la fada. La continuité. Et... à l'instant testé la rubrique L'artiste exprime. Sur l'émission Tout à la Fada. Mesdames et messieurs, nous sommes situés au niveau de la polyclinique de la Concorde. Rompons police secours parce qu'on parle de paludisme. Donc, euh, le paludisme chez les jeunes, quelle alternative pour éviter la maladie Il s'agit de notre thème du jour pour ceux qui viennent de nous prendre en coup. Pour rappel, nous sommes avec Dr Gambo, nous sommes avec Shamsoudine Mamadou Abdogado et mon ami Acha de JVN est avec nous, Ahmed. Super. Alors, ce qu'on va faire, docteur, puisque nous sommes là sur l'émission et nous avons la chance de vous avoir aussi, c'est important que nous rentrons dans la sensibilisation. En cas de palu, qu'est-ce qu'il faut faire S'auto-traiter à la maison Parce que le d'horreur n'est pas Il y a des bondori, poutou volon, il y a des bimalariales, il y a des airlum, il y a des il y a des safre kul may gor bongara iram cara bongay fer ken fo emission obo mat cirano do bor ma dor dorizo borgti Eh, ok merci eh, dondi mm. na kaw bor bay mbo hal palino bor gamot no bor himagate ta maintenant comportement o kiga ba normal lama wo kang bor bo bagay igene sanga hina jangai hina jenge hen kun test de diagnostic rapide pali wono wakan kan sigine teder docteur ko arade bor ko ba se sirano rapidement en moins de 10 minutes une lecture au TNC qui ne se halle pali non gaul monte pali non ga et c'est un test qui est très efficace puisque il hakul ra ba expertise mu hmm. koy docteur ko ara imin signe gune est-ce que réellement wona en kan ne no gogate pali signe yano hmm. im test de diagnostic rapide din hmm. dinen se filana lele hino pali non ga ngono go signe wote ni di ni bon se ne lakkale kani parce que ne be hay kan no go ga

son conséquence safaro kan han conséquence no gona ngono gona ga ngono gona ga zam fo farga fo farga kai ka wallahi manta no air fombo so sense shamsuddin matkancina irni irne te loktare e faman dirse ne mani chale musa nous en ce qui te concerne et en ce qui concerne nous ONG nous ONG mo sina se kala projet d'assainissement et d'entretien environnemental Niger Innovation wa hayan da kira gamara masalan masal fono no gogo du ifo di fono ba imi dinise pour que projet o nu ma tonan de parce que barkan ne assainissement ke ala tali kuna wanters kadarin boraga imi di borasi euh dondi pour commencer assainissement hmm. ça n'a pas été facile quand j'avais débuté ça. C'est après les études, je voulais aller étudier. Comme tous les autres étudiants après le bac. Je voulais devenir forestier ou Je voulais partir même pour aller, étudier à l'extérieur. À la recherche de l'Eldorado. Voilà. Les parents ont refusé que j'aille. Parce que vu je suis jeune et truc, je suis le garçon et puis ils ont empêché. Moi j'ai vu ça comme... Oh, mais quand même, Donc euh, je suis resté et juste après, il y avait le lieu de dépotoir de mon quartier. C'est pas un dépotoir de la mairie, mais c'est là où les gens se sont ils ont créé une dépotoir. de potoir. Et c'était vraiment un endroit que depuis, ça fait moi six ans avant d'y toucher que je connais l'endroit. Quand il pleut, les eaux partent là-bas c'est stagner hmm. dans les ordures. Et année pluvieuse à année pluvieuse, l'eau est là. Les ordures sont là-bas. Il y avait un vieux conteneur qui a été abandonné hmm. là-bas. À son sort. À son sort. C'était hmm. là-bas. Les gens partent, ici, ils urinent, ils font tout. Moi, un beau jour, j'étais à la maison, j'avais mal du fait que tous mes amis sont partis me laisser. Mm. J'ai vu que je ne pouvais rien faire pour partir. Mm. J'ai prié Dieu. J'ai mm. dit Dieu, faut me donner avec ta main. Mm-hmm. Tout ce que vous me donnerez, je vais me concentrer là-dessus et je vais le faire. Quelles qu'en soient les difficultés. Non, je suis sorti de la maison et ah. j'ai vu le conteneur. Ah. J'ai dit, ce conteneur, je vais l'aménager pour en faire quelque chose, pour entreprendre. et je me suis dit, pour aménager ce conteneur, il, faudrait... il faut assainir l'endroit là. Tout à fait. J'ai dit, mais c'est pas pour moi. Comment je vais faire mhm. C'est là que je me suis lancé dans le truc. J'ai enlevé tous ces histoires de gêne, mes baskets, mes chaînes, tout ça là. Je suis devenu entrepreneur. Ah. Je me suis lancé. oui, les gens, du, les gens du quartier disent que je suis devenu fou, mais moi je voyais autre chose. Autre chose. Mm. Pour un début, je voulais devenir quelqu'un. C'est pourquoi je me suis lancé dans ce que j'ai vu mm. pour faire quelque chose. Mm. Mais à force d'y être dans le système, j'ai pu assigner le lieu moi seul. Hmm. J'ai ramassé tout, tout les tas d'ordures. Vous ne pouvez pas comprendre, j'ai les photos et tout. C'était un tas d'ordures. Je ne suis même pas allé voir la mairie. J'ai ramassé tout et j'ai laissé le conteneur comme ça, je l'ai peinturé. En espérant voir le propriétaire du conteneur. C'est pour vous dire que ça n'a pas été facile. Mhm. J'ai peinturé et j'ai mis des mains. Et ces mains de peinture différentes qui est ma marque aujourd'hui de plusieurs mains. Et de là, je voulais attirer l'attention du propriétaire pour qu'il vienne voir que moi j'ai au moins arrangé l'endroit. Mhm. S'il a besoin de se conteneur, qu'il le prenne et qu'il s'en va. Voilà, ou si on peut travailler hein, ensemble. Donc ça n'a pas ah, été facile. Après le gars apparu, il dit que non, il va m'enfermer, quoi, pourquoi j'ai touché et tout. Voilà, ah, tu as vu finalement le propriétaire. Oui, avant que je le vois, j'ai euh, vu le chef du quartier. Je suis parti à la mairie, j'ai parlé comme le propriétaire ne sait pas prononcer. Je vais euh, utiliser l'endroit parce que une fois que je l'utiliserai pas, les gens vont encore ramener les ordures pour laisser neme aik bekan conteneur de la sobor à l'omor nu kan kaga baguma ça veut dire que tu as mené déjà un combat nous sobore oui aron kurara voilà. on prend une petite pause on va aller avec euh, un artiste aussi qui sensibilise parce qu'on n'est pas les seuls à sensibiliser hein. on l'a rencontré à Agadez il s'appelle euh, Roba Roba donko donko a maganin saboro mu saboro on suit Roba Roba et tout de suite la suite sabro biya ka tsoro mujizan sabro taimaka tsoro sabro rage mafa juna aiki ni na rage mafa na aiki shika da wuke da bata da birki صبروا صبروا صبروا وايو صبروا صبروا صبروا وايو صبروا صبروا صبروا وايو صبروا صبروا صبروا اربطوا تاكرم بانزا صبروا تاكرم بانزا صبروا À l'instant T, c'était Roba Roba sur l'émission Tous à la Fada consacrée à la jeunesse nigérienne. Mesdames et messieurs, c'est Roba qui va donc accueillir Mr. Olivier pour la chronique de l'émission Tous Fada. Olivier, la machine et les humains te souhaitent la bienvenue. Bienvenue sur Tous à la Fada. De quoi parle le texte Hier dans la chronique, nous avions parlé du départ du génie du football mondial Lionel Messi. Eh bien, cette histoire qui a ému les fans du foot laissera quelques leçons. C'est d'ailleurs l'objet de notre chronique de ce soir. Départ de Lionel Messi de Barcelone à Paris. Quelles leçons aux passionnés du foot et à la jeunesse en général D'abord, Lionel Messi, vous le savez déjà, c'est six ballons d'or. Il a le plus de ballons d'or au monde. Il fait partie des deux meilleurs joueurs du foot au monde. Son salaire annuel est de 40 millions d'euros à son arrivée au Paris Saint-Germain. Et oui, Lionel Messi a paraphré un contrat de deux années plus une option avec le Paris Saint-Germain. L'Argentin devrait percevoir un salaire de 40 millions d'euros par an, soit plus que Kylian Mbappé la saison dernière, 25 millions, mais moins que Neymar, 48 millions. Eh bien, la première leçon, c'est celle-ci. Seul le travail acharné, et les résultats vous feront grandir et vous rendront incontournable. La deuxième leçon est la suivante. En affaires, tout est possible. Eh bien, le football, ce n'est pas que la passion. Il y a également de l'argent. D'ailleurs, beaucoup d'argent en jeu. Et ça, beaucoup l'ont compris. Troisième et dernière leçon, l'arrivée de Lionel Messi au PSG n'avantage pas seulement le club de la capitale, mais tous les championnats français. Comme l'a confirmé le président du club, Nasser El Khelaifi. Il disait ceci. Je pense qu'avec notre équipe et notre club, le championnat monte son niveau. Les droits TV aussi, j'espère. Les partenaires commerciaux, tout a monté. Tout le monde veut voir le PSG et tous les autres clubs en profitent. Quand je joue à l'extérieur, les présidents m'ont félicité pour l'arrivée de Léo. Ce qu'on fait, ce n'est pas que pour le club, mais aussi pour la France et la Ligue 1. On est là pour travailler. Ça commence aujourd'hui pour nous, pour les autres clubs, pour la Ligue, pour la ville. Tout le monde va en profiter. Eh bien, ce fut le mot du président, directeur général du Paris Saint-Germain. Pour ceux et celles qui nous écoutent, eh bien, le foot, c'est de la passion, c'est de la joie, mais c'est aussi du business. Et en affaires, c'est l'argent qui est roi. D'ici là, portez-vous bien. Paix, lumière, amour sur vous, amis jeunes. Je finis cette chronique en souhaitant que chacun d'entre nous soit un Lionel Messi dans son équipe. Bye bye. À l'instant, testé Olivier. C'était la chronique de l'émission Tous à la Fada, mesdames et messieurs. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, consacrée à la jeunesse nigérienne. Mohamedou Abdougado, tu as écouté certainement en deuxième partie de l'émission ton frère Shamsoutine. Il a œuvré pour la cause, partant déjà d'un certain nombre de choses. Il est dans l'assainissement à fond. Est-ce que vous avez des conseils Est-ce que vous cherchez aussi des issues de sortie pour qu'ensemble, Irmoussouboura, emmené Irmou Niger, Naoudou, de Follonsino, eh, merci Dondi pour la question. Eh, je, pense que les jeunes doivent continuer. On doit continuer à sensibiliser, à prévenir, à rendre nos endroits propres et pour notre propre santé, rendre nos communes, nos maisons, nos quartiers insalubres faire en sorte que les moustiques qui nous dérangent, le pali qui fait des ravages, que euh, ça s'arrête là, qu'on arrête le ravage. Point. Docteur, on a déjà commencé à donner euh, des pistes de solutions dans les questions précédentes, mais allons-nous vraiment en profondeur Quelle alternative ou solution avez-vous à nous proposer pour se protéger des moustiques et du paludisme Vous êtes l'expert. Moi, je dirais d'abord la prévention <coughs> réside d'abord à deux niveaux. Deux niveaux. Voilà. Niveau 1, mesdames et messieurs. Le niveau 1, comme ils l'ont déjà dit, puisque les moustiques ont besoin d'environnement pour se développer. Cet environnement, c'est quoi C'est des saletés et les eaux stagnantes. Bien sûr. Je pense que donc le premier aspect doit consister à lutter justement contre ces deux éléments, mhm. c'est-à-dire lutter contre la stagnation des eaux mhm. et lutter contre l'accumulation des déchets. Si on arrive à faire ça, je pense qu'on a déjà lutté contre les moustiques. Mhm. Maintenant, le deuxième niveau, deuxième niveau, c'est de lutter contre les moustiques eux-mêmes, parce que quand l'environnement n'est pas déjà propice et qu'il se développe, il y a toujours une autre alternative. Cette alternative c'est quoi mhm. La première et la principale d'ailleurs, c'est de dormir sous moustiquaire. Sangue Et dormir sous moustiquaire, pas n'importe quel moustiquaire de préférence, le moustiquaire imprégné. Imprégné. C'est dans toutes les pharmacies, c'est pas cher. Mhm. D'accord au niveau des CS, je pense que par moment, il y a même des campagnes de distribution gratuites mhm. qui sont faites. Donc, on peut euh, profiter peut se protéger. Tout à fait, docteur. Voilà. C'est bon, docteur. Mais on m'a dit que téléphone, docteur. <laughs> Niveau 1, niveau 2. Ne haraim se ni ne imis fujire se. Il faut docteur m'a ne quoi ne. Ah, <laughs> Allah mio jama. Il bore zay. Ah bon, mais docteur, ne n'a bourgère mon chapo mais. J'y vais en mon mon ah. Ahmed Niginase. Ahmed, quel appel de prévention avez-vous à lancer aux jeunes Oui, Dondi. Sensibilisons, mon frère. Déjà, les, les spécialistes ont pratiquement tout dit. Je vais juste donner quelques pistes de solutions, comme vous l'avez dit. D'abord, nous, ce que nous faisons en tant que juvén, c'est la sensibilisation. Nous appelons d'abord à, une conscience collective du civisme. Ok. Nous voulons à ce que l'État ait les moyens d'imposition, mettre euh, de l'avant l'aspect sanitaire. Ah, Parce qu'on sait que la voie de Yantala est ouverte à tout le monde avoir un, un comportement de citoyenneté responsable. Hein? De ne pas déverser les ordures n'importe où, n'importe comment. C'est dire que quand on se protège, ah, on protège nos voisins, on protège tout le monde. Tout simplement. Nous sommes donc à quelques secondes de la fin de l'émission et nous allons permettre à un jeune de s'exprimer. Il répond au nom de Shamsoudine. Shamsoudine, c'est tous les jeunes du Niger qui t'écoutent tu es porteur d'un projet et nous, nous avons beaucoup aimé ta détermination. Le fait euh, de t'engager pour l'assainissement. Est-ce que tu as un message à l'endroit des autres jeunes du Niger pour que D'accord, merci beaucoup, Denis. le message que je veux donner je veux surtout le donner en langue un d'abord pisi irno kata chimino sanori irgo kata irgo ga produire mais irgo ah. ga chaleshi deux mhm. je ne di mumboke, ke igo ne furta jay irgo goro kirgo produire di yara ngegiti fomo sine ngegiti acheter hein. donc d'abord jinda gwamnati ga ne gimkin sambu bene za da kan gwamnati sai ba ga wala fiso niger ra bor kumno gogo fis produire ngu winde kan go niger ra igba ga im ka capitale e ga im ka region e ga ga son ke im ka commune e ga en fait c'est beaucoup de maisons maintenant gwamnati igoga di igoga ma irkul goga di goga ma certain ga singati sobora agoger wi dore ga ba dore no gboru voilà dore no gboru halanda ba to dore gogir wi akul mo ziborano samsudin maintenant ir ba ise irwo hmm. goyo ça demande beaucoup mhm. mais hmm. détermination engagement engagement oh. Nous no goy de hmm. formule emir na irmo goy emir da an defi emir no noru emir da an defi irginga gwai irginga te kan noro mu fatta bore kan go tere mbo go mil isinga bana goyo de rafiso goyora. irgi hingi bana irmu non goy hanse pe yo mu developer akulum te pisora bore mu wade dore so bore mu ban Sanoban A plus B le tout au carré est égal à A carré plus 2AB plus B carré. Formule no A. Maintenant, ni ban ma traiter comme formule. Nan de irin magayine. Maintenant gite da. To. Min dai gwamnati imu bora kul dole. Imu wundera ha. Imu bora kul dole. Zama problem no dori no bora kul inga windera ima habu im fi sai morgunan ko inga wunde wunde habu. Gwamnati mu da mechanism kan ganin jeune kul kan go kurara kan go chômage. ima sambu secteur odi projet kure kulgo un projet kan no kure hago morgu morgu imi sambu indo bore mi bana projet fisay sambu se non ki gadan dina dan nongo ki im cici bore kan ga da bore kan ga da im sanction im fiso sambu im ko da centre de recyclage fiso se recycler sanno imate ta fante fanta kan giye kagir na fa sambur konda hotel le ville de nyame bade amama député maire da amama sanno parti urga pati do konda se hay kukkan ci no gonda na fa docteur ir ko min berande ma ir sabmo kan ni ko bayni wara winde habu nugudo do bay wara winde bande habu ngenir ko bandame sabor kan ga borna ma nyam nyam hey